avec celle de monsieur le gouverneur, non pas dire madame le gouverneur. Merci beaucoup. Donc nous avons, avec votre présence, demain je vais dire à toute la population que le problème du pont de Simal est réglé. Ah. Avec la présence du ministre. C'est doléance qui date de 1960. Donc, avec l'indépendance. Je crois que d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, nous verrons bientôt les travaux commencer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup de votre présence. Au nom de toute la population de Simal, au nom des populations de la commune de Fimla, je vous dis merci. Je disais toujours aux populations de la commune que la route de Simal Fimla, il ne faut pas parler de Karim ou non. Si ça ne dépendait que de Karim, on aurait déjà la route. Si la communauté rurale donc avait les moyens, Karim trouverait même un pont déjà fait oh. avec Landing, avec Abdoukodo, ou avec Gorgi C'est l'État. Mais malheureusement, les populations ne comprennent pas. Alors, Gary, merci beaucoup. Merci. Vous avez toujours pensé à notre route. Mhm. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes très contents. Merci. Tous ceux qui sont derrière nous aussi, sont contents comme nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. je crois que la parole pour que ce pont existe. Et aujourd'hui, grâce également aussi au ministre qui a tout fait également aussi. Il, est venu ici, même pas, ça ne fait même pas dix jours. Il était seul avec son équipe pour voir l'état de, de, la route et du pont. Et quand on s'est vu à Dakar, il m'a dit que j'étais assez mal. Hier, avant-hier, il m'a dit, nous allons partir. Aujourd'hui, vous avez fait une journée. Vous étiez dans les îles, à Dioïne, pour venir ici. Cela montre également l'attachement également aussi que le gouvernement du Sénégal a pu faire pour faire tout pour réaliser ce pont. Mais je veux remercier également aussi Diouf de la journée. C'est quelqu'un vraiment qui nous a appuyés. Remercier également aussi le sous-préfet. Ça aussi, il faut le dire les rapports allaient à compte de tous les jours, chaque semaine. Mhm. Et vous verrez les rapports à travers le gouverneur, le préfet de Fatigue. Donc c'était un combat d'un ensemble. Et ça, moi j'étais persuadé avec le gouvernement de Macky qui est un produit également aussi du département de Fatigue et de la région, que le pont allait voir son jour. Et je l'ai expliqué amplement à la population de Simal le jour va venir. Restez patients. L'État a son programme, l'État a, sa, feuille de route. Il faut que nous soyons tous patients. En tout cas, Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Toute l'équipe municipale, toute la population également aussi de la commune de Fimla sont très satisfaits, très contents de cette visite. Et nous pensons également que sur peu de temps, d'après également aussi les échos qu'on a eus, c'était en phase d'approbation. Donc, je pense que cette phase est tournée. Ce point a été retenu et le ministre est là devant la population. Comme ministre, nous les sante, de la gërëm, de la ñaanal, di ñaanal aussi le président Macky Sall. ndax li kat mbégte la ci ñun ndam la ci ñun population si Malit kenn amul lu mu leen wax ndax ben yoon lañ mësa def boobu ba léegi ñu ngi toog di muñ kenn déggu leen ci xaste kenn déggu leen ci lenn te xam nañ ne lii commune mënu koo liggéey euh, chef de village wax na ko sànq depuis ba ma fi nekkee ba léegi lu mot cinq missions voire même plus de six à sept missions ñëw nañ fii ànd ak Diouf dem nañ ba Simal pour wax leen tagat tagat euh, ak ñoom pour xamal leen ne xaar leen yàlla nag ñëw na tey lu jot nag yomb. lu jot yomb état nag noonu la day am ay programme am xam ngeen ne yàggul dara président Macky Sall inauguré na le pont de Foundiougne loolu yaakaar naa ñëpp gis nañ ko te waxoon na ne après Foundiougne ça sera man bientôt aussi les îles daa yàlla jot nañ mission benn tubaab bu ñëw ba fii ñu dem ba mar ba mu xool également aussi naka la ñuy defee pont boo xamante ne ni moom mooy def liaison ci île de Marie kon ni ko gars yi di waxee balaa ngay laax

ñu def ko ci bisimilah rahmaani rahim mu jox ci alhamdulilah rabbil alamin Macky Sall ñëw inauguré ko Sénégal jëm kanam kon ma ngi sant ñep di gërëm ñep merci beaucoup. Dakar service technique euh, du pont qui est projeté ici bon euh, le chef de village et le maire on, on peut parler de l'importance du village de Simal dans la zone et de son de son historique donc je vais parler un, je vais parler un peu du des casse techniques du pont on a prévu un pont de 50 mètres de longueur avec des accès de 3 mètres 50 de part et d'autre en estimant les films là. Donc, carrément euh, la Donc on sera du large de 6 mètres avec des trottoirs 2 mètres 50 de part et pour permettre à la population, en tout cas aux piétons, de passer sans pouvoir, euh, partager le même espace avec les, véhicules. Donc il y aura euh, l'accès de part et d'autre du pont de 3, mètres, km, 500 qui sera aussi d'une largeur de 6 mètres, même largeur que le pont, avec aussi des trottoirs de 1,50 m de part et d'autre. Donc c'est ça qui a été prévu ici. Le, contrat a été passé avec l'entreprise matière dans le cadre du PSD. Donc les études vont démarrer et d'ici 4 mois maximum, les travaux vont démarrer, Inch'Allah. Euh, remercier les populations et s'excuser par rapport au retard, puisque depuis ce matin, accompagné de Madame le gouverneur de la région de Fatigue et de toutes les autorités de l'administration territoriale, nous avons fait euh, trois étapes. La première étape, euh, c'était dans la commune de Djirna, et plus précisément à, Fandine, à Fambine, pour apporter des réponses par rapport aux sollicitations des populations. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la commune de, euh, pour la route euh, martin Djoin et Route euh, longue de 26 km. Et présentement, nous sommes à Simal pour la réalisation de l'axe Simal-Fimla avec un pont euh, pour la traversée de la lagune tous ces ouvrages que nous allons regarder, et nous allons réaliser, seront euh, exécutés dans le cadre du programme spécial de désenclavement, programme qui prend en charge la réalisation de plus de 2500 km de routes bitumées, euh, des ponts, des autoponts, des pistes et de la voie urbaine, d'un coût environ de 453 milliards de francs CFA. C'est pour dire que cette doléance euh, manifestée par les populations de Simal, de la commune de Fimola, est une doléance maintenant qui a trouvé solution grâce à l'engagement du chef de l'État, grâce à l'engagement du président Macky Sall pour apporter des réponses et des, sollicitations, et des solutions par rapport aux sollicitations des populations. C'est un plaidoyer qui a été porté depuis longtemps par le fils de la localité et parmi lesquels euh, l'honorable député euh, Karim Sen, avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, l'informant effectivement d'une visite euh, que j'avais effectuée au niveau de Simal. Et au retour, j'ai emprunté ces ponts avec beaucoup de difficultés. Et je me posais même la question comment les populations faisaient. mais comme la solution, elle est là, avec ce programme spécial de désenclavement, l'entreprise matière qui a réalisé les ponts et autoponts au niveau de la région de Dakar aura en charge les travaux de ce pont, euh, plus maintenant les accès entre Fimola et euh, Simal. Ce qui veut dire que vous aurez un linéaire de plus de 7, 7 quand même 7 km. Parce que c'est 3,5, 3,5, ça fait 7, plus le pont, c'est environ 7 km. Euh, euh, la sécurité donc pour la mobilité des populations. En tout cas, nous allons veiller avec l'entreprise à ce que les travaux démarrent dans les meilleurs délais, bien qu'il y a des études à faire, études qui vont prendre euh, quelques semaines, euh, un peu moins de, autour de 3 à 4 mois. Mais nous veillerons à ce que les travaux soient livrés avant la fin de l'année 2023. C'est l'objectif fixé à l'entreprise. En tout cas, le pont pourra être réalisé dans ces délais-là mais, euh, et les euh, voies d'accès peut-être euh, prendront un peu plus de temps, mais nous allons tout faire pour que le travail ou les travaux puissent tenir donc, dans, ces, délais. C'est dire que personnellement, moi en tant que ministre en charge des infrastructures, je veillerai à l'exécution diligente de, ces travaux et que les populations seront satisfaites des engagements pris par le président Macky Sall pour apporter effectivement des réponses par rapport à cette védolence qui, qui date de très longtemps. Le chef du village a, nous a fait tout à l'heure l'historique de, la localité, de la zone, l'historique de, de Fimola, de l'arrondissement, de tout l'arrondissement. Et naturellement, comme nous nous, y engageons euh, ce sera en tout cas, euh, disons, un rêve qui se réalise avec effectivement la mise à disposition en délai de ce pont qui relie Simal à Fimla. Donc, dit Niyu euh, toute la commune de Fimla, le maire, honorable député Karim Sen, le chef de village, euh, Madame Magoum de di tu parce que euh, suba ba nous ñu ngi département fatigue le département de en tant ak gouverneur région tant ak préfet du département, départements mu préfet préfet département Fatigue euh, les sous-préfets j'ai ci suba fële ci commune d'Irna euh, plus précisément dans le village de Fambine donc fa yóbbu une solution yi le président vraiment sente pour ñu yóbbu ko ci dans le cadre de ces politiques

goudé lol ñu ci encore une fois di euh mu nek yoon bo xamni digënté diggante Fimela ak ak Simal yoon bu xaw a métti taxu ko sori waaye euh, maanaam fond bo xamni ni accès bi dafa metti te worul ñu ne nak point suñ koy défar dañ koy duggal ci programme bu ñu tuddé le programme spécial de désenclavement bi nga xamni président Macky Sall moko indi programme boobu le pratiquement budget ñent ñeenti milliard la juróom fukk ak ñett war a defar ay tali goudron yu bëri ñaari junne yi junne kilomètre tali ak juróomi téeméer goudronné ci Sénégal gi yëpp defar ay pont defar ay autopont defar ay piste defar ay voirie urbaine programme boobu nag lañu jël maanaam mbiru yoon bi dugal ko ci biir ñu war koy defar fii ay weer bu neexee la bugg daal balaay atu deux mille di jeex travaux yi pare parce que entreprise bu koy defar mu ngi tudd entreprise matière te entreprise matière mu defar pont wu oto pont yi gis Dakar auto pont bu nekk Kër Góor gi oto pont bu nekk Yoff fële euh, auto pont bu nekk Cambérène et cetera donc ku am xam-xam màcc ci affaire pont la te liggéeyam gaaw na donc gëm nañ ni dana ko liggéey liggéey bu rafet. ah pare que ci nu mu gënee gaaw euh, askan bi mën di dem dikk diggante Simal ak Fimela te du ñu am benn jafe-jafe du ñu am benn problème donc mu nekk mbébét boo xam ni euh, doomu gox bi maanaam yàgg nañ koy wax yàgg nañ koy joytu barki Demba Ndiaye rek ma ci doon wax ak l'honorable député Karim Sène maire de Fimela bam mu fi ñëwee la fois dernière aussi population yi wax nañ ko waaye lu am solo mooy saafara si bi nga xam ni. présent Macky Sall indi na ko léegi té liggéey dana tàmbali fii ay quelques weer parce que entreprise dana ñew lu mu gëné a gaaw def étude étude paré tambali yi liggéey bi comme ça avant 23 di jeex 2023 di jeex travaux yi en tout cas point bi mo dana paré donc lu ci dess xeyna sax lepp dana paré avant 23 2023 di jeex donc lool la amul lu may wax pour dalal xelu askan bi hmm. dalal xelu manam euh, la commune population commune de Fimela ci li nga xamni mo moo doon seen bëbët programme désenclavement nag jël na yoon yu euh te euh, gëm na ni euh, daañu fi dellu ci fii ñëw inauguré bu neex yàlla pont bi ànd ceeg la population vraiment de cette zone là mu nekk sama dëkk man tamit fi la bokk waaw la laa bokk ah Gouye nag yàlla def daal daal tey moom samay mbokk rek la la laa dajeel. donc di leen dalal vraiment di encore une fois di leen gërëm baax di leen sant di jéglu ci waxtu bi parce que ay mag ñi mag mag ñaa ngi fi su ba léegi ñu ngi sun toog di xaar waaye suñu borom moo def ñu egg si waxtu bi donc encore une fois may jéglu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp donc à il faut vraiment ensemble que nous veillons rapidement à ce que l'entreprise commence les études et que les travaux vont commencer dans les meilleurs délais et livrés d'ici la fin 2023. Donc, nous de de les Assalamu wa